Euh, victoire pour yenen victoire après le beach soccer ñu waxat ci football hein, on va parler comme on l'a dit euh, beach soccer euh, football spécifique sport spécifique waaye beneen sport bi itam bi football bi sport spécifique on va parler de ceci foot aujourd'hui on a un champion olympique présent sur ce plateau hein. il s'appelle Khalifa Babacar Youm Khalifa déjà je t'ai souhaité bienvenue tout à l'heure mais aujourd'hui euh, avant toute chose qu'est-ce que ça te fait de porter ce médaille autour de ton cou déjà qu'est-ce que ça te fait euh, bah, c'est quelque chose d'extraordinaire hein. c'est vrai que remporter une médaille olympique, euh, voilà, c'est un, fait rare, on peut dire. Ah <laughs> donc c'est un privilège. Et euh, ma connaissance, je pense que je suis peut-être le premier Sénégalais, mhm. donc euh, né au Sénégal, grandi au Sénégal, à avoir remporté une médaille d'or olympique. Mhm. Donc bah, c'est quelque chose d'extraordinaire en tout cas. Et euh, voilà, je suis, très heureux. très content. Peut-être ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas pour le Sénégal, mais néanmoins, c'est euh, le Sénégal qui l'a fait. <laughs> si, euh, ben, c'est vrai que je l'ai gagné pour la France. Pour la France. Mais je pense que je l'ai gagné aussi pour le Sénégal parce que c'est ici que tout a commencé. Je rappelle juste que euh, avant de représenter la France, j'ai déjà représenté le Sénégal à trois reprises. Dans, des, compétitions. Parce qu'avant d'être CC euh, footballeur, j'étais déjà athlète. Donc j'ai faisais de, l'athlétisme. Et euh, c'est à l'âge de, 17 ans que j'ai représenté le Sénégal pour la première fois, c'était en Côte d'Ivoire. Et j'ai même eu une médaille d'argent en athlétisme catégorie 100 mètres. Donc, euh, j'ai euh, même représenté en 2005, j'ai représenté le Sénégal en Arabie Saoudite. C'était dans le cadre des euh, Jeux de la solidarité islamique, déjà. Et c'est à partir de là que je suis, je suis parti en France. Donc, et voilà, c'est à partir de là que j'ai découvert le CC Foot. <laughs> Alors, vous avez découvert le CC Foot en France. Mhm. Euh, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours Comment Parce que vous avez expliqué que vous avez fait de l'athlétisme et que vous avez eu des médailles aussi pour l'athlétisme. Mais vous pouvez un peu revenir, <laughs> voilà, pour le Sénégal, mais par rapport à l'athlétisme. Est-ce que vous pouvez un peu revenir par rapport euh, à votre parcours mhm. Où est-ce que tout a commencé Quand Où est-ce que euh, cette passion d'être un athlète vous, a, vous est rentrée au fait, j'ai commencé euh, le sport, je, pense, je peux dire que je, le pratique depuis euh, que je suis tout petit, depuis que j'étais à l'institut, euh, à l'internat déjà. Donc c'est là qu'on a commencé à... Ici au Sénégal Ici au Sénégal, à, à de, une école pour, pour déficients visuels. Donc c'est, à partir de là que j'ai commencé la, pratique du sport. Donc auparavant, j'aimais beaucoup le football. Hein. beaucoup le football, mais on ne connaissait pas le CC Foot euh, à l'époque. D'accord. Et euh, quand on m'a proposé euh, de faire de l'athlétisme pour pouvoir représenter le Sénégal, donc j'ai bah accepté. J'ai accepté de, d'être, de faire de l'athlétisme. et c'est là que j'ai participé à ma première compétition. c'était en 2000 en Côte d'Ivoire. Mm. Donc, je j'ai pas eu de médaille dans cette compétition. Mais en 2003, le Sénégal a, organisé la même compétition mhm. au stade Léopold Sédar mort Et c'est là que j'ai euh, décroché une médaille d'argent. Et euh, en 2005, j'ai également représenté le Sénégal en Arabie Saoudite, comme je vous l'ai dit auparavant. Mhm. Euh, et, quand j'ai eu mon bac dans la même année, en 2005, donc je suis parti en France. Et quand je suis parti en France, c'est là que j'ai découvert le CC mhm. par hasard à la télé. Et comme j'ai toujours été passionné de football, bah, je me suis dit que c'est une bonne occasion de, de pratiquer ce sport. C'est là que j'ai contacté, à l'époque j'étais à Bordeaux, et euh, c'est là que j'ai contacté le coach euh, du club de Bordeaux, donc, euh, qui m'a fait des tests qui ont été concluants. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai donc j'ai commencé à pratiquer du CC Foot. Mhm. Et je suis 13 fois champion de France, 13 fois vainqueur de la Coupe de France. Donc j'ai participé euh, aux euh, Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Donc j'ai participé, euh, j'ai fait deux Coupes du Monde, donc celle de 2018 en Espagne et en 2023 à, Birmingham en Angleterre. Donc j'ai failli être champion d'Europe même en 2022, mais malheureusement je suis blessé à une semaine de la compétition. Du coup, j'ai pas pu participer à cette compétition. Mais mmh. n'empêche, la France a été sacrée euh, championne d'Europe de CCFOT en 2022. Mhm. Et euh, bah voilà, en 2024, euh, mhm. Paris 2024, médaille d'or. Quelque chose d'extraordinaire, ah en tout cas, qui, voilà, qui, résulte voilà, de, travail acharné, on peut mhm. dire. Et puis, en tout cas, voilà, c'est l'argent pour laquelle je viens aujourd'hui sur ce plateau pour présenter cette médaille au peuple sénégalais déjà mais aussi euh, pour euh, la présenter aux autorités sénégalaises, mais aussi pour parler de mes projets que j'ai pour le Sénégal, pour, notamment pour le développement du CC Foot et pour le développement des sports euh, en général. Mhm. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi le CC Foot Parce qu'on voit que vous portez comme si c'était des lunettes en fait. <laughs> Donc, je ne sais pas c'est quoi, à quoi ça consiste déjà le CC Foot et les règles qui existent dans le CC Et tout. Au fait, le CC Foot, c'est le football adapté les déficients visuels. c'est vrai qu'on euh, porte euh, donc un masque sur les yeux. Pourquoi ce masque Parce que dans la déficience visuelle, il y en a qui voient un peu, il y en a qui ne voient rien du tout. Mhm. Et pour que tout le monde soit, soit égal dans les compétitions internationales, on est obligé de mettre ce, ce, masque. D'accord. Donc pour, que voilà, pour, l'équité, pour, ne rien voir. Ben, moi, je prends mon cas, si on ne me pas le, si on me met pas le masque, bah, je suis avantagé euh, par rapport aux autres parce que je suis malvoyant. D'accord. Donc, du coup, euh, voilà, on, met tous euh, ce, masque. On joue avec un ballon sonore. D'accord. Donc, il y, a des gros lots dedans. Donc, ce qui veut dire que dans le six foot, l'écoute et la, et la communication sont des piliers très, très, très, très, très, importants mhm. pour la pratique de ce sport. Mhm. Donc, voilà, donc on joue donc, sur un terrain qui a les dimensions de hand avec 40, 40 sur 20 avec euh, voilà, un gardien de but qui est... Par contre, le gardien de but, il est voyant. C'est ce que je voulais savoir, parce qu'apparemment, il est voyant, il n'a pas de masque. Exactement, le gardien de but, il est voyant. Il n'y a, que les, il euh, euh, de, champ qui sont, qui sont déficients mais le gardien, il est voyant. Donc, on a un guide derrière les buts. Donc, le rôle du guide, c'est de nous aider à localiser les buts. Mais par contre, le guide, il a le droit de parler que lorsqu'on arrive dans les 13 mètres. D'accord. Avant qu'on arrive dans les, 13 mètres, il n'a pas le droit de parler. Déjà. Donc il y a aussi le coach euh, qui est, sur le côté, euh, qui nous donne aussi des informations. On se communique beaucoup aussi. D'accord. Sur le terrain pour pouvoir se faire des passes, euh, voilà, pour pouvoir pour éviter tout ce qui est choc, tout ce qui est télescopage. Et il y, a des règles aussi de signalement dans le le foot. Par exemple, moi en tant qu'attaquant, si j'ai mon ballon, si je fonce vers le but adverse, le défenseur qui, veut défendre sur moi, il est dans l'obligation de se signaler, de dire voy. Ah. Voy en espagnol, ça veut dire j'y vais. D'accord. Si le défenseur ne dit pas voy, et qu'il y ait. Euh, c'est une faute au fait. Et en 6 foot, après 5 fautes d'équipe, il y a ce qu'on appelle une double pénalité, c'est-à-dire un tir euh, dans les 8 mètres sans barrage. D'accord. Donc euh, voilà, c'est en gros, c'est ça les, règles. Et si, vous voyez le terrain, on a des barrières sur chaque euh, côté, sur la longueur du terrain. Ces barrières nous permettent de nous repérer et de ne pas sortir du terrain. Du terrain, ok. Donc euh, voilà, c'est bon. Exactement, c'est Et ça se joue à combien Bon, ça se joue à 5. À 5, Il y a, un gardien et 4 jours de champ. D'accord. Bah, c'est comme, comme du futsal adapté, on peut dire. Ok. Et combien de temps donc, dans les compétitions internationales, on joue sur des temps arrêtés. On joue, sur des 15-15, 15 premiers temps, 15 deuxième temps. Mais comme c'est du temps arrêté, comme le basket, un match de ceci foot peut durer entre 1h10 et 1h20. Waouh Oui, donc euh, c'est comme, comme ça que ça se passe. Donc euh, voilà. Alors, <laughs> en gros, euh, voici les règles du CCF. Alors j'imagine que vous êtes bien pris en charge vu que vous êtes champion olympique en France. Aujourd'hui, vous avez vu que c'est une discipline qui commence à se développer ici au Sénégal. Mhm. Bon, pas pas comme en France, mais on commence à se développer ici au Sénégal. Euh, Comment voyez-vous notre... pour revenir un peu en arrière, donc je peux dire que c'est moi qui ai amené le foot au Sénégal. Et je l'ai fait en 2006. Parce que quand je, quand je suis parti en France, euh, quand j'ai rencontré le coach de Bordeaux, il était en même temps le sélectionneur de l'équipe de France de CC Foot. D'accord. Et je lui ai parlé du Sénégal. Donc, comme il est d'origine africaine comme, comme moi, mhm. bah, je, lui, je, je lui ai parlé du Sénégal. Donc, il m'a dit qu'il avait euh, des projets pour le développement du CC Foot en Afrique. Mhm. bah, je lui disais que pourquoi pas commencer par le Sénégal. Mhm. À l'époque, je l'ai amené au Sénégal en 2006. Il était venu, il a formé des cadres et tout. Et euh, voilà, on avait même commencé à s'entraîner et tout. Mais malheureusement, après, euh, voilà, on n'a pas eu l'appui nécessaire euh, des autorités pour que le CCF se développe au Sénégal. Bah, Entre-temps, même en 2015, le Sénégal a participé à la première Coupe d'Afrique de CC Foot mhm. qui, était, qui se déroulait au Cameroun. Mhm. Et c'est grâce à moi mhm. et à mon association qui est, en France, qui s'appelle UNADEV, mhm. qui avait soutenu cette équipe du Sénégal. Mhm. Donc euh, voilà, en leur achetant les billets, tout ce qui est billets, tout ce qui est euh, maillot, pour qu'ils puissent participer à, sa première Coupe d'Afrique. Mhm. Bah, après cette compétition, je pensais que les autorités vont prendre le relais, mais malheureusement, bah, rien n'a été fait. Et euh, c'est l'argent pour laquelle aujourd'hui je suis venu au Sénégal parce que je pense qu'avec cette médaille d'or que j'ai remportée aux Jeux paralympiques. Et le nouveau régime Voilà, peut-être avec aussi le nouveau régime. Hmm. Bah, je, pense, voilà, je, suis venu pour les rencontrer, pour leur parler, pour, euh, voilà, afin qu'ils puissent aider euh, le Sénégal à, développer ce sport qui est très, très, très important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent au Sénégal. C'est ce que je bah, voulais savoir. Si je, prends l'exemple de l'équipe de France, nous sommes trois Sénégalais dans l'équipe de France. Quand même. Hein. Bah, malheureusement, il n'y a que moi qui a été sélectionné euh, aux Jeux paralympiques parce qu'on on, était deux. Mhm. Euh, il y a un, joueur qui a été, qui, qui blessé juste avant la compétition. Mhm. Donc on est, on est trois Sénégalais mhm. à, donc à, être en équipe de France. Et pourtant, si le ceci foot était développé au Sénégal, aujourd'hui, on serait dans l'équipe dans l'équipe du Sénégal. Ah oui. Déjà. Donc, c'est la raison pour laquelle je, voilà, j'exhorte euh, les, nouvelles autorités, mhm. à, que ce soit les autorités fédérales mhm. ou euh, les autorités étatiques, gouvernementales, à, vraiment euh, aider le foot. Mais je ne parle pas que du foot, mais à mhm. aider les, en général. Parce qu'il y a plusieurs sports. J'ai vu qu'aux Jeux paralympiques, j'ai rencontré des, des, athlètes sénégalais qui étaient là-bas, mais ils n'étaient que quatre athlètes. Et je pense que dans un pays de 18 millions d'habitants, avoir que 4 athlètes paralympiques, pour moi, mm. c'est très, très, très peu. Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, voilà, il faut qu'il y ait des moyens euh, pour que le sport, le handisport se développe, mais même au-delà du handisport, pour que le sport en général se développe. Mm-hmm. Parce que si, euh, si, mes souvenirs sont bons aussi, on n'était que 11, 11, euh, athlètes dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je pense que c'est très peu il faut qu'on que, les autorités soutiennent euh, le, sport en général, mhm. bah, le même le sport en général, pour encourager les jeunes qui sont qui qui sont en situation de handicap, qui sont en situation handicap, même qui ne mhm. sont pas en situation de handicap, hein, les jeunes qui qui, qui euh, veulent pratiquer du, sport, À, performer mhm. et euh, à aller remporter des médailles parce que si je pense que la dernière médaille que le Sénégal a remportée dans, les Jeux Olympiques, c'était en, 1988, si je ne me trompe pas, avec euh, Elas Amadou Djaba, mm. qui a, mm. remporté le, 400 mètres. Mm-hmm. Et je pense que ça fait 36 euh, ans déjà que le Sénégal n'a pas gagné de médaille olympique. Mm-hmm. Et là, voilà, avec euh, les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont, bientôt arriver, je pense que les autorités vont en profiter pour, euh, aider davantage le sport en général et le handisport en particulier. Est-ce que vous avez une petite catégorie par rapport au foot qui pourra peut-être compétir lors des euh, Jeux Olympiques de la jeunesse Je ne sais pas si le handisport fera partie des, compétitions euh, ou pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si, euh, si le handisport va participer aux, Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça, je, vais me renseigner en tout cas. D'accord. D'ailleurs, même sur ces Jeux Olympiques de la jeunesse, j'aimerais bien que. Voilà. J'aimerais bien être ambassadeur de ces, de ces Jeux. C'est important. Pour euh, voilà, pouvoir euh, vraiment encourager mm-hmm. les, jeunes à voilà, mieux pratiquer le sport. C'est euh, noble. voilà, en dehors des études, le sport aussi est, très important déjà pour la santé. C'est noble. Et aussi pour la, pour la haute performance. Mm-hmm. Donc voilà, j'espère que quand je rencontrerai... voilà, la, nouvelle ministre des Sports. en tout cas, je lui parlerai de mes de, tous les projets que j'ai euh, au Sénégal pour le développement des, sports. mais est-ce que vous avez une petite catégorie ou toujours pas euh, Non, il n'y a pas de petite catégorie. Au Sénégal, il n'y a pas de petite catégorie. D'accord. On, a des jours au Sénégal. D'accord. On a des joueurs, on a une équipe. votre euh, équipe se trouve où moi, mon club se trouve à, <laughs> à France, en dans France, de France, qui s'appelle FCC Et l'équipe au Sénégal L'équipe au Sénégal. Donc, le Sénégal, il, a, a une équipe, il, a, il avait formé une équipe nationale. D'accord. Comme je vous ai dit. Ils ont, ils ont même participé à une euh, Coupe d'Afrique en 2015 et ils, ont été demi-finalistes déjà. Mais malheureusement, bah, quand tu es, euh, quand as une équipe et que tu n'as pas le soutien nécessaire de tes autorités, bah, malheureusement, voilà. L'équipe n'a pas On ne peut pas avoir de, voilà, donc on peut pas faire de performances. ils ne sont même pas capables de participer à une Coupe d'Afrique depuis 2015. Depuis 2015. Moi, j'ai eu la chance de développer le CCF dans d'autres pays africains. Je l'ai développé au Cap-Vert en 2016 avec euh, mon équipe de Bordeaux. On, était parti là-bas en, novembre 2016. Et en 2017, mhm. ils, ont, été capables d'organiser euh, la, Coupe d'Afrique. Déjà. Et pourtant, j'ai commencé à le développer au Sénégal depuis 2006. D'accord. Malheureusement, eh ben, voilà, on n'a pas eu le soutien euh, nécessaire qu'il fallait pour ah. que le, que sénégalais se développe. Et euh, voilà, j'espère que, comme je suis venu le relancer, mm. bah, voilà, j'espère que j'aurai le. Ben, on espère, hein. on espère que, oui, très rapidement, parce qu'on doit passer sur. De volonté. Ah, si, la volonté est là, je pense que, voilà. Euh, euh, les, talents sont là en tout cas. Les talents sont là. Il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui sont en France, mhm. qui sont dans le championnat français et qui veulent jouer en équipe nationale du Sénégal. Mais euh, voilà, s'il n'y a pas de, championnat, s'il n'y a pas d'équipe, bah, malheureusement, ils ne pourront pas venir. Et euh, la plupart des, des, joueurs bah, vont euh, prendre la nationalité française. C'est ça. Et puis, voilà. Et ce sera du gâchis en tout cas. ce sera du je félicite également pour cette médaille, mais j'ai une question. En fait, cette, discipline a fait son apparition pour la première fois aux Jeux paralympiques, ah. en 2004. C'était en 2004. Donc depuis lors, quel, pays qui domine sur le plan mondial <laughs> C'est le Brésil. c'est une bonne question. C'est le Brésil qui a remporté tous les Jeux paralympiques. Ils ont remporté Athènes 2004, ils ont remporté Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2021. Et pas Paris 2024. Mm. <laughs> Et euh, voilà, on a, eu la chance. Euh, Heureusement pour vous. Voilà, pourtant, pourtant le Brésil, on, partageait la même poule euh, avec le Brésil. D'accord. Donc nous, on a eu la chance de gagner notre premier match contre la Chine. La Chine qui est une très très grande équipe aussi, qui est vice-champion paralympique déjà qui est vice-champion du monde, qui a gagné. Il euh, y, y, y, a des supporters. Par exemple, comme par exemple, le jeu, c'est le ballon qui. Le son du ballon qui vous guide. Et si les supporters font, du bruit, au stade, au stade de la Tour Eiffel, ils étaient 12 000 supporters. Wow. 12 000 spectateurs. Lors de la finale. Euh, euh, pendant tous les matchs de l'équipe de France. Pendant tous les matchs de l'équipe de France, c'était au moins 12 000 spectateurs. Mais c'est comme, au tennis, hein. quand le ballon est en jeu, bah, le public est silencieux. Ah, le public était silencieux à chaque fois que le ballon était en jeu, le public était silencieux. Mais quand le ballon est sorti, ou quand il y a une bonne occasion, ou quand il y a un but, un but bah, le public euh, peut faire du bruit, euh, <laughs> célébrer, faire la fête, déjà. Donc, euh, et c'était vraiment, vraiment impressionnant. Ah oui. Vraiment impressionnant. On l'a suivi de loin, mais c'était magnifique. C'était extraordinaire. Ce qu'on a vécu à Paris, et euh, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans l'histoire du CC Foot, c'est la première fois qu'on joue avec autant de, autant de spectateurs, euh, Dans, le stade. Je pense qu'à Rio, c'était, ils étaient 5000. Mais à Paris, ils étaient 12 000. Euh, quand même. C'était dans le stade et c'était quelque chose d'extraordinaire. Comme, je vous disais au, début, donc on a eu la chance de, de gagner contre la Chine, mm. 0 et j'ai eu la chance de, de, marquer ce but, ah. donc de la victoire. Et euh, le deuxième match, on a perdu contre le Brésil. Euh, mais heureusement, ça ne nous a pas empêché de, se qualifier en demi-finale. Parce, que, parce qu'on a gagné, euh, lors de notre troisième match, on a battu la, Turquie de 0 zéro. Donc, ce qui a fait qu'on s'était qualifié en demi-finale. Et on a rencontré la Colombie en demi-finale. Donc, on a battu 1-0. Bah, ce qui a fait qu'on était, s'était qualifié en finale et euh, heureusement, bon, on a évité le Brésil en demi-finale. <laughs> et c'est l'Argentine qui a battu le Brésil en demi-finale au tir au but. Et vous avez battu l'Argentine. Et euh, on a battu l'Argentine au tir au but 3-2. Euh, euh, voilà. Félicitations encore une fois. Bah, merci euh, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une médaille olympique. Exactement. Donc, euh, si vous l'avez aujourd'hui, on peut que vous dire félicitations. C'est Voilà, donc je pense qu'ils ont tous mm. les deux une question très rapidement parce qu'on va passer au championnat local. Donc, <laughs> non, honneur aux invités vraiment, Issa, à toi. <laughs> Mais, mais donc, Youm, est-ce que vous avez déjà eu des trophées individuels euh, en Europe, par exemple Oui, comme je vous ai dit, j'ai euh, remporté le championnat de France à 13, reprises. J'ai remporté également la Coupe de France euh, à 13 reprises également. Donc voilà, j'aurais pu être champion d'Europe en 2022, comme je, vous l'avais dit auparavant. Mais j'étais blessé, donc, à trois jours de la compétition, j'étais blessé, malheureusement. Donc, euh, j'ai été quart de finaliste aussi euh, à la Coupe du Monde de 2023 à, Birmingham. Et voilà, champion paralympique. Bon, je parlais beaucoup, un peu plus comme être meilleur buteur ou meilleur joueur du championnat. Oui, euh, j'ai été ah, meilleur buteur de la Coupe de France en 2018. Ok. Donc en 2018, c'était un trophée individuel. Donc que j'ai eu à la Coupe de France en, 2018. Ok, allez faire. Voilà. Oui, en fait, euh, bon, moi, je, on peut parler de l'argent. <laughs> je vois que à travers les images, vous avez été reçu par le président français euh, Emmanuel, Macron. oui. Macron. À, part la médaille aussi, j'ai euh, ce que j'ai là, c'est la Légion d'honneur. Voilà, voilà. C'est la Légion d'honneur que j'ai. Exactement. Donc, c'est la plus haute distinction. qu'on peut avoir en France. Mhm. même en dehors de la Légion d'honneur aussi, j'ai eu la médaille de la ville de Paris, la médaille Grand Vermeil. C'est aussi la, plus haute distinction que la ville de Paris. Euh, donne aux personnalités qui ont fait quelque chose pour la, pour la ville. Mhm. même à part, euh, j'ai eu aussi euh, cette même médaille du département de la Gironde où j'habite, de la ville de Pessac, de la, de la, de la ville de précis oise de la ville de Mérignac, de la, du département de, de, de, Donc j'ai eu six médailles, six distinctions. Ah, Entre-temps, plus la Légion d'honneur. Et cette euh, belle médaille d'or qui est là. <laughs> Elle est magnifique, ah, euh, on peut dire ça, oui. Ah, bah, ah, bah, bah, bah, oui, c'est vrai que quand, on gagne euh, une médaille d'or olympique, Par exemple, vous méritez des euh, Je ne veux, pas, je le dire. Il faut le dire, un peu, un peu d'argent. Je ne veux pas le dire, je, veux le dire en tête. je ne veux pas le dire. Sinon, je risque d'être. Euh, <laughs> Arrêtez de hein, c'est normal. Mais, en tout cas, avec la médaille, voilà, on a, on quand même une. Une bonne récompense. belle récompense. C'est important. En tout cas, félicitations encore une fois. C'est pas donné à tout un chacun d'avoir une médaille olympique. Je dis même pas à, un Sénégalais, mais à tout un chacun dans le monde d'avoir une médaille olympique. Des fois, il y a des gens qui sont des talents, vraiment, et qui, évoluent dans le sport jusqu'à leur retraite sans pour autant avoir une médaille olympique. Donc félicitations encore une fois. J'espère que vous en aurez d'autres et d'autres et d'autres et que vous pourrez développer cette discipline ici euh, un peu partout en Afrique. Bah, en tout cas, c'est ce, qui nous, ce qui nous amène là. Hein. C'est ce qu'on ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Donc, comment euh, comme on a eu la chance de le développer dans plusieurs pays. Par exemple, je, peux donner encore l'exemple du Maroc. Mm. Au Maroc, on a commencé à développer les CCF là-bas en 2007. Et à Tokyo 2021, ils ont été médaillés de, médaille de bronze en Tokyo, à Tokyo 2021. Déjà. Ah, c'est bien. Donc, c'est juste pour dire que c'est juste une question de volonté, une question de moyens. Si on met les moyens qu'il faut, par exemple, la Fédération française, euh, sénégalaise de football mhm. pouvait prendre en charge le CC mhm. Déjà. Mhm. Et je pense que si la Fédération sénégalaise de football prenait en charge le CC le CC sénégalais va se développer, ça c'est sûr, parce qu'il y, a ce qu'il faut comme talent. Ça. Déjà. Donc, euh, et juste pour, pour, pour, euh, pour terminer aussi, juste, j'ai, euh, en dehors du CCFoot, moi je suis, euh, je suis consultant en emploi, en insertion sociale et professionnelle. Ah, je suis également chargé de développement des ressources humaines et de projets. Et donc, j'ai, encore, j'ai aussi des projets pour ça au Sénégal. J'ai, des projets, j'ai, des projets de création d'une structure qui accompagne les jeunes voilà, vers, vers, vers l'emploi, vers, leur, vers la réalisation de leurs projets professionnels et euh, faire ce qu'on appelle l'insertion par l'activité sportive. C'est-à-dire à travers le sport, encourager les jeunes euh, à être euh, des, professionnels, à, trouver un emploi. Donc mhm. c'est tous ces projets que j'ai aujourd'hui pour, mon pays. Et j'espère que les autorités vont, vont m'aider à la réalisation pour la réalisation on, laisse faire vivement en tout cas et on, on, on, vous rappelle aussi que Desport est ouvert hein, notre porte est, ouverte ah, donc si vous avez euh, peut-être des messages à faire passer ou des événements nous on est ouvert à, <laughs> à tout un chacun donc euh, bienvenue encore une fois chez vous aujourd'hui Amina euh, Ligue Pro bi amaloon nañu journée week-end donc une journée am solo Desport hein, déployer un peu Euh, ay ay ay ay ndawam ci ci ci dëkk bi donc nan mën nga ñu rappeler un peu les journées qui ont eu lieu ce ak naka nga ko gisee. waaw Marceline mu nekkoon euh, journée yu am solo xam naa Régis nañu indi la tableau bi ki nga xam ni euh, mooy AS Douane Ligue 2 bi moo nekk noonu AS Douane ak Thiès FC ñoom dañu def 0-0 Jambar FC ak AS Saloum ñoom aussi zéro bi partout. AS Kaffrine ak Stade de Mbour nekk zéro 0 Esamay FC ak AS Cambérène. 2 euh, buts à 0 en faveur de, de Il y a Seneps aussi avec Amitié. Seneps dort 1 but à 0. Il y a aussi Mbou, euh, Nyambour avec Kéhane Duc, 2 euh, buts à 1 en faveur de Nyambour. Euh, RSI of 1 ki nga a ne buts à 2-1 donc le moo nekk résultat match euh, Ligue 2 bi donc on a dit que pour Ligue 2 b aussi mu nekkoon ay rencontre solo qui a xam ne buts à Wakam US Wakam ak US match bobu la lañu la lañu la euh, samedi bi mu deux buts euh, partout mu match bu hein, match bu am ambiance match bo aussi y avait les supporters euh, mais on xolé ci ligue ligue 1 sur les huit matchs bo six matchs nul la def mhm. donc équipe bi ñaar équipe rek ñoo si am ñoo victoire mo nek équipe bu ki nga HLM Sport deux buts à un ak ki nga xamné moy mo d'or un but à 0. donc boo xoolee aussi jamono Fatick ak AGEL ñoom ñaar aussi 0-0 euh, la ñu def Walidaan def 1 euh, moom ak Oslo HLM euh, Casa Sport 2 buts à 1 Jaraaf Dakar Sacré-Cœur 1-1 AS Pikine Linguère 1-1 Génération Foot Teungueth FC 0-0 Sonacos ak nga xam moy mooy Guédiawaye 1 but à 0 en faveur de Guédiawaye lolou mo nek résultat Ligue 1 euh, ci weekend end bi Marceline man ko don wax légui sur les 8 matchs mu nek 6 matchs nga xam ne ay match nul la mais mu nekkoon ay euh, match yu neex match bi ma si gën impressionné nak moy match bi nga xam couvrir nañ ko muy match euh, Wakam bi bo xolé match la bo xamni ñom dañu nekkon ci dëj motax parce que bo xolé ay 13h. Mhm. lañu jugee ñom dañu jugee si si si cimetière directement ñëw stade. Mhm. amul woon li nga xamni mom moy euh, ambiance amul supporter dañu dañoo indi indiwuñu asiko yëngaluñu defuñu dara. donc mu nekk match bo xamni premier euh, première partie yëpp y avait la rigueur l'intensité la technique. Mhm. parce que buñu faté né match Moussa Diatta lool mi nga xamni daw dafa nekkon Gorée <coughs> ren mu ñëw yor Wakam donc match am la parce que c'est l'ancien coach euh, de de l'US Gorée qui est l'actuel coach de Wakam bi nga xamni actuellement coûte ko coûte match bi dafa bëggoon nous ñu gis nga premier match premier mi-temps dominé but par penalty mais gore ñu gis aussi Ali Mal dafa indi technique bu am solo parce après ko Moussa après match bi euh, coach bi dafa composition mu ne ma ñoom ñaar ñoo doon liggéeyandoo. Euh, donc boo coach bi après quelques temps après 20 minutes bi euh, si gore égalisé après Gorée ñëw dominé waat ki nga xam mom moy euh ki nu mu tuddati Wakam ñëw euh, égaliser donc premier mi-temps bi lañu def 2-2 mu nekk premier mi-temps mom intensité am rigueur. Mhm. bo xolé ci deuxième période bi juste après le match ma ngi doon demander interview ci deux coachs yëpp ne leen di équipe bi Gorée euh, lim indi premier mi-temps bi indi ko deuxième mi-temps parce que premier mi-temps bi dañu gis dafa indi physique bu bëree bëri. Mhm. après deuxième mi-temps bi mu lâché donc euh, coach bi aussi mu ngi ci doon répondre que ni euh, physiquement deuxième mi-temps équipe mhm. de même que euh, pour bi nga aussi premier mi-temps indi Valdo aussi indi euh, impressionné bu côté pressing premier mi-temps mais deuxième mi-temps bi aussi dañu dañu mhm. mais mu match bu match technique bu aussi championnat Sénégal a commencé à un niveau parce que premier mi-temps avons euh, enregistré 4 buts cela veut dire que aussi euh, techniciens commencent ñuy commencé di euh, sur le plan offensif donc mu un match moom ambiance ah ça aussi une bonne ouverture ah mu un match bu en tout cas si Wakaam ak Gorée effectivement mu match bu comme tu l'as si bien dit techniciens yi ñu ngi def liggéey bu am solo surtout côté offensif parce que ñu ngi ko doon ñaawlu daaw en disant que euh, vraiment pourquoi les attaquants ne marquent plus de buts mais gis nañ à partir de la première journée rek gis nañ à yi commencé taxanaa si que mu mm. nekk Ligue a wala Ligue 2 donc deuxième journée également même su dee am na ay match nul mais am na ay buts yoo xamante commencé nañ ko ci on dirait que le travail a été fait pendant euh, la période où ils ont pas compété bien sûr ñu ngi si liggéey bu baax a parce que maa ngi ko doon demandé Moussa diate juste euh, si interview après match mais aussi aussi euh, nee dafa am loo xam ne ñu ngi koy def tout le temps mooy aspect travail devant les buts bi nga xam ni gars dañ ko bàyyi woon en fait boo xoolee daaw euh, suñu attaquant yi dañu amoon problème pour di marquer ay buts mais gis nañu ren sur le plan offense équipe bu nekk euh, muy Gorée di Wakaam nekkul équipe yoo xam ne ni bu ñu téye bal dañuy reculer donc boo xoolee dañoo ne bërël rek Euh, si première période bi ñaar équipe la yoo xam dañuy attaquer mo taxone match bi neex euh, sur le plan offensif Mal dafa indi dafa proposer du beau jeu mais sur le euh, si côté Wakam aussi sur le plan offensif ki nga xam moy Moussa Diatta aussi dafa proposer du beau jeu bo xoolee attaquant yi léegi commencé nañ ñëw mhm. parce que en fait Afrique ba si championnat Sénégal sax problème bobu la ñam moy problème attaquant numéro 9 dañu gis ni légui dañu commence disparaître ñi marqué but le plus ñooy ay militaires la ñu nek mhm. wala parfois défenseur yi ñom ñoy aji ci kaw mhm. di marquer ay ay but manc donc mu nekkoon ay problème yo xam actuellement gis nañ techniciens yi commencé nañ euh, di di di ci di ci apporter le plus mais problème bi gënoon kii euh, bi gënoon rëy rek boo xam ne supporter aussi doon nañ leen ko doon demander mooy nee nañ code 800 bi nga xam ne actuellement Ligue euh, Pro bi daf ko indi pour ku mhm. bëgg seetaan match mu nekk seen cri de cœur mhm. bëri na ñoo xam ne tey doon nañ ma woo téléphone ne ma boo demee plateau bëggoon nañ nga waxal ñu loolu parce que ñom pour ñoom euh, ñi ñi ngi xalaat ñi nga xam dañu nek ci région yi mhm. imaginer nga jënd connexion peut être 2000 euh, francs parce que pour seetaan match YouTube donc da fay demander beaucoup de connexion so jëndé connexion 2000 francs après bëgg jëndaat euh, code bi 800 francs peut être lool ñom budget la si ñom ñi nga xam ne mhm. peut être ñi nga xam ne ay dañu nek ay côté Saloum wala ñi nga xam dañu nek ay côté Fatick mhm. day métti si ñom néna ñom code 800 mo lañ ko yemale ci diaspora bi rek mais indi na lo xam ne actuellement frustration la bu baax a baax baax ci supporters yi am na benn supporter jaraaf aussi euh ku ñu wax Serigne Diop moom aussi daf ma woo téléphone bo xolé ni doon waxee ak man dama ne koy

Euh, joueurs yi nekk dans de très bonnes conditions parce que nous, casse depuis euh, bi des ou qu'on doit mettre euh, peut-être les joueurs à l'aise c'est-à-dire ñu leen di fay salaire yoo xamante ne suñu amee ay talents joueurs yi duñu pas a génn dem compétir faire ci yeneen dëkk yi nga war nañu Sénégal aujourd'hui on a beaucoup de talents yoo xamante suñu gisee yenn salaire élevé aujourd'hui si on veut que le football se développe il faut aussi accepter modernité bi nga indi il faut aussi accepter les prouesses. yi nga xamante ne ñu sur la table certes peut-être s'enchaîne et que je suis sûre que la Ligue est consciente de cela et que mm-hmm. dinañ ci xaw baay xel wala ñu prix mais aujourd'hui aussi pay-per-view il faut le saluer parce que pour dire vrai c'est de l'innovation et cette innovation là ça nous permet à ce que ligue du monde développer développé bi où il se doit et je pense que l'eau c'est très important c'est très important parce que l'innovation ah la ñu sur ci football surtout football local mais euh, pour c'est aussi décision que la fédération war na préparer euh, sur deux ans par exemple nous indi euh, waroon nañu ko sur deux ans mais je pense que décision la décision xam coup coûte que la fédération de ko jël mais priorité actuellement pour football local Marceline mooy c'est que pour fédération ñu mën a obligé surtout état état moo mën a foot, fu moo euh, football local pour mën a dox parce que boo au Maroc chaque jour dama koy rappelé tey loolu moo doxal seen football local parce que état da ci dugal loxoom nan la ciy dugalee loxoom mais actuellement entreprise yi ñu fexe euh, koñ bu nekk nous Pikine zone des Il y a beaucoup d'entreprises qui sont là-bas alors que nga ne doo jël sa loxo dugal ko si si équipe bi taxe attends tay li ngay wara fay ci impôt dina la wàññil temps mais tamit il faut nga sponsoriser euh, équipe bu AS Pikine bi jaraaf non, parce que Sénégal bari na ay entreprises yu pour man priorité actuellement priorité bi nga xam tay ligue pro bi tay war na ko jël dafa def en partenariat xool nan lañu wara a mën ak ministère amana ñi ngi ci liggéey bi amaana ñi ngi ci liggéey bi ah, état déet bul wax lolu Amina xamo tu n'es pas dans le secret des dieux Amana, ñi ngi ci liggéey bi comme tu l'as si bien dit nee nga peut-être pay-per-view bi ils sont en train de le faire xalaatoon nañ ko mais xeyna ñi ngi koy door mettre en place mais xalaatoon nañ ko donc li peut-être si tu veux dire que tu ne peux pas être dans le secret de Dieu pour dire que mhm. le problème c'est de le concrétiser concrétisation bi nak moo euh, peut-être que ils sont conscients et que ñun suñu continuer di sensibiliser di leen wax pour ñu wax ak entreprise yi ñu jàppale football local bi amaana suñ koy continuer di wax ñom dinañ gëna gawal euh, procédure bi lu am solo lo ci football parce que en fait ça apporte des millions et millions yoy nonu dugul ci poosu wa Ligue Pro fay contribuer fay dugul ci football local si club bi fay tax football bi avancer mais sur déggee ma wax le prio yi aussi dafa bokk ci li nga xamni moy pour entreprise sponsorisée li nga xamni ne moy club oui c'est priorité là parce que boo xolé président club yi li ñuy dépenser si fay jour yi bëri ay jour yo xam ne la waxee liñ lay fay jour ay joueurs ligue 1 da ngay da ngay taf sa gémmiñ mhm. am ñoo xam dañuy tok 4 mois yo xam duñu laal salaire parce que président équipe moy def lepp ci équipe bi c'est ça sponsor yi am euh, euh, bëri na ay équipe yo xam équipe yu mag yo xam ni ben ben ben benn entreprise kese moo jappalé et c'est mhm. trip je pense aussi euh, li nga xam moy entreprise yi nga xam tay dañu nekk ci si yenn gox yi tey boo demee RS Yoff y a beaucoup d'entreprises yo yi tay xeyna peut-être mënu ma leen tuddu mhm. ñu ngi fofu noonu tay pour man entreprise yooyu non ñoo war mëna jappalé a jàppale RS Yoff mu mën a mu mën mëna nekk ci yenn d'accord avec toi jaraaf noonu yeneen équipe yi noonu ba si ay Gorée ak ay Dakar Sacré-Cœur je pense que il faut que entreprise yi mën si jàpp pour entreprise jàpp si nag état moom mooy ñaar seen loxo parce que entreprise bi ni ñuy toogee ñoom en fait xaalis buy génn duñ bëgg seen xaalis di génn léegi nag euh, état mooy def benn négociation ak ñoom fédération ak ligue pro bi nan la ñuy mën a defee en partenariat ak état dem toog ñoom waxtaan ak ñoom pour que état mën wax ak ah, état mën bañal jël dërëmam def ci mais mën wax ak entreprise yi né né par exemple té bu ngeen doon fay important et c'est important bu len fay temps joxe len temps le reste lolu wax nañ ko fi waxat ko fi waxat ko fi waxat ko fi c'est pas la première ça fait pas ni la deuxième ni la cinquième fois on en a parlé plus de 20 fois sur ce plateau et que ils sont ils sont conscients de ça encore une fois né na la euh, peut-être que duñu xey chaque jour ne la Amina ñi ngi ciy waxtaan ak li ñi ngi ciy liggéey parce que buñu faté né on a un nouveau gouvernement en place dañu am un régime bu fi nekkoon que là dañu wax rupture dañu amat beneen gouvernement bu bees Amana, ñi ngi ciy xalaat ndax bo ba légui ñi ngi ciy wax et que ñi ngi ciy liggéey on espère juste que ça va évoluer Way ñu duñu jog ci di sensibiliser pour état bi continuer mhm. euh, liggéey ak entreprise pour entreprise wara mëna tamit surtout yu mag je ah parle pas de des des PME hein, des petites et moyennes entreprises je parle de grandes entreprises yi nga xamante surtout ay multinationales yi fi nekk mhm. pour ñoo ñu bàyyi xel ne suñu bëggee tamit euh, am dara ci réew mi faaw ñu def dara ci réew mi certes ñu ngi ñuy jàppale tak ci euh, peut-être fonctionnement réew mi waaye teewul nag war nañu gën gën mëna japp ci football local bi comme ça yeneen réew yi nu mu développé ci football bi ñun tamit ñu développé ba gox bu nekk suy football am terrain wala stade bu adéquat boo xamante ne mën na fa footballé ci goxam ndax lu ñu gis si HLM ak Casa Sport depuis quelque temps ñoom ñi ngi footballé fii Dakar ah. effectivement man ak euh, ñoom euh, équipe bi ñoom Diédhiou euh, ak ñoom Djibi ñoom ñoo fa nekkoon donc ñoom Elage je que je salue de passage donc ñu ñëpp fa nekkoon je pense que c'est la première fois la hein. oui c'était la première fois bi ma nekkee HLM mm-hmm. Euh, je veux dire que le, le public en fait on, on s'attendait je m'attendais à ce que public bi parce que quest parce que le naa public Casa Sport fees mais public HLM ça commencé il a fallu nous siffler en une fraction de seconde, tu as vu le stade était plein à craquer. Ils ont rempli le stade. Et ce que j'ai remarqué, surtout l'unité Mawarti sport c'est-à-dire sport à chaque fois que euh, scène publique, nous euh, dominer ou ils restent toujours constants. Ils restent toujours dans le fair play ou dans, dans, dans, euh, supporter cette équipe. Peut-être équipe HLMB, on les pas, on les a pas trop entendus. Euh, bi match bi dire vraiment qu'ils ont qu'ils étaient dans le bain. On a vu aussi les joueurs, ils ont fait de bonnes performances. Mhm. Ils ont vraiment mis maintenu le cap et qu'ils ont euh, fait ce qu'ils devaient faire. Donc, on a pris les réactions. Après, petit débrief euh, match vous aurez les résumés tout au long de la journée. En tout cas, quoi qu'on puisse dire, match est neex na ku bëgg dem stade na nga dem stade dem stade ñi nga xamante ne dañoo tayal nag mënuñu jóg wala liggéey jàpp leen vraiment ñuy liggéey week-end comme nous, on était au travail ce week-end. donc mën ngeen toog seetaan ko via pay-per-view parce que développement sport la rek développement sport ci joues, yi nga xamante ne seen i mbokk am di alors je pense que aussi euh, nekkul tey xam lu trop cher a ni ki nga xam muy jënd code pour seetaan ko 800 francs c'est pour le développement euh, du football local mais aussi il y a l'équipe de Desport aussi qui gère la production bon collègues euh, à 13h30 midi même euh, ils étaient sur place ça fait presque dans mon info, nous une dizaine de personnes avec ah. mm-hmm. fekk fekk nga xam ne DG mm-hmm. donc il y a une bonne coordination donc waaye mu nekk mu nekk mu nekk liggéey liggéey bu mucc ayib ah man dama dem foofu dama dem malam mi ñi nii ñëpp koo gis mu ngi sol la ko des moom très très très professionnel. plus d'une vingtaine d'équipes à chaque fois qu'il y a des stars. bon y a le staff technique ak euh, mu am benn une bonne coordination vraiment ñu teg ñu aussi si ay conditions yu baax. Mm. bañ demee lekk nañ ba suur ba ñuy dem aussi ñu jox ñu euh, passe bu yóbbal yóbbal bu dul donc aussi euh, loolu dafay dafay daf ñuy gën a motiver à ce que aussi liggéey bi gën a neex donc félicitations vraiment à toute l'équipe de DSports pour ce pour ce week-end. mais maa ngi lay wax Mbaye mi ngi fépp mais nangu woo ci wax da nga ragal mbay Sène wala. kan la Mbaye Sène mi ngi fépp ah, laa mi ma ne woon fekk mu dox xoolal takk bi takk bi xam naa day xool day xool ko tardé xam naa jour mu ñëwoon 15 heures nee na ma Amina <laughs> fii sa morom newof ndax nee na ma ah, woo ah. naa la jot mais heureusement que dafa dama sentir di nekk moo tax presque ñëw naa deux heures temps avant match bi dama teel a pour que ñu mën a kii mais aussi di féliciter bu baax a baax absent vraiment travail remarquable commençant technique petite ci direction a fait un travail remarquable mm-hmm. présentateur animateur mm-hmm. euh, preneur de son monteur caméraman euh, cadreur régisseur ils ont fait un travail remarquable euh, chauffeur hein, DG félicitations à vous le travail continue hein. ah l'Igne, ñuy def dañ ko mais le travail continue donc mm-hmm. nañu

ma njëkk a gërëm ki nga xamante ne moo euh, sama invité euh, Khalifa Babacar Ngom Youm c' un plaisir de t'avoir accueilli sur ce plateau. et je te l'ai dit tu fais partie désormais de la maison. comme Issa Ndiaye donc euh, bienvenue et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois pour toi et j'espère que tu t'es abonné. Khalifa. Ah oui. Ah, tant mieux alors. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir. <laughs> Exactement. Oui. Je te laisse dire au revoir aux téléspectateurs. En tout cas, merci à toute l'équipe de, des sports. En tout cas, ça fait, ça trop plaisir euh, de faire ma, première émission euh, après les Jeux paralympiques. Euh, et avec, avec vous, en tout cas, ça fait trop, trop plaisir. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie également tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. voilà. Merci beaucoup en tout cas je suis yéen ñoo far je man maa ci <laughs> force le merci beaucoup à toi Khalifa <laughs> mais merci également à l'autre invité Issa Ndiaye yow c'était un plaisir je naa la ko ci njëlbeenu mm. kàddu bi kër gi sa kër la waaye dama koy bamtuwaat encore kër gi sa kër la ah c'est quand tu veux reviens quand tu veux sur ce plateau de Café des soirs, comme ça ñu mën a débriefer luy suñu passion ñu ñëpp muy sport merci d'avoir été présent ce matin c'est moi qui vous remercie donc euh, comme le wax c'est toujours un plaisir d'être là wante nag mënuma fee ñëw ba ñibbi te gërëmu ki ma solal. Mhm. mooy madame Ndiaye soxna jaara mu baax mi. madame moom ma solal lii. ba pare souhaité ma émission. waaw di remercier. sama papa madame sama papa. mi may seetaan ak sama yaay. ñu ngi si kër ga ak sama frère ñëpp. encore une fois di di jaalewaat sama papa. Mhm. góor mi nga xam ne moom moo ñàkk doomam. sama maam Assou yàlla na yàlla. doolu yërmande te jéggal ko baax a baax a baax di leen encore une fois donc di di remercier aussi waa waa Beach Soccer bi ñu ma ko seqal mooy ah. président Momes lay commencé moom mooy moom mooy moo ñu ngaa ñu ñëpp mhm. jaar ci Mohamed Samb et notre grand le père Chita mm. ki xam ne ñun mënuñu duñ taay ci di ko remercier parce que moo ñu uuf mooy suñu kilifa ñu ñëpp Mohamed Samb du ko bàyyi coach Ngala Sylla son staff Toupane Jo Korea waaw ak sama président club Medoune Sylla xam naa su ko waxul li nga ma ne Issa di ak tous les membres et acteurs du Yoff Beach Soccer ak sama staff ñi may ñi may liggéeyandool entraîneur bi mhm. euh, Machoro euh, Thiandé ak euh, Baytiir waaw ngi gërëm ñëpp di sant et ta question pour Amina da nga koy dugal comme bon question contribution la fait jeex na contribution la parce que dama bëggoon comme li mu expliqué ci développement côté développement sport local donc xam nga tey les clubs ah, ah, ils n'ont pas assez de moyens maintenant parfois dañu war a changer vision mm. li ñuy changer vision mooy dañu war a créer d' autres paliers mm-hmm. d' autres leviers économiques yoo xam ne moom mooy reversé wu ci club bi mm-hmm. parce que aujourd'hui li li nga xam ne maanaam club yu mag ñi loolu lañ raté mm-hmm. waruñu dal waruñu dal jamono ji parce que bu njëkkoon da ngay dégg Jaraaf gendarme extra, et cetera ñooy club yu mag yi dañuy jaay joueur bu ñu paree xaalis ñu xamoo fu mu dugg te un club comme gendarme amul terrain à Dakar c' est inadmissible mm. un comme Jaraaf bon après lim am nii c' est juste bon mu ngi rentré d' argent mais merci waaw mais waaw mais xam nga yow yaay si tey tu les grands clubs comme li comme club africain sax ngay wax dañu am le stade ba am d' autres entreprises man dañu am yeneen yeneen i sociétés yoo xam ne da leen permettre ñu am rentrée d' donc ñun ñii fi ñu toll actuellement war mën a jàng ci loolu que muy waa RS Yoff que muy ñeneen ak ñeneen war nañ mën a parce que tamit après loolu boo xasee ba def. c'est ça sponsor bu ñëwee day yokk. c'est ça état bu ñëwee day yokk effectivement sport daal je pense que dañu toll ci jamono joo xamante ne dañu war a xalaatandoo. pour mën a développer euh, sport bi pour mu jëm ca kanam Red Chef ma lay bu baax yow itam ah, fan yii yëpp da nga doon daw vraiment Red Chef mais j'espère que semaine bi moom di ñëw ñaari yoon parce que fan yii yëpp nekk ko fi woon. Red chaque jour maa fi. Ah, demain après demain jusqu'à vendredi matin donc euh, voilà <laughs> malheureusement temps bi non on voulait un parler du football local surtout par rapport à li la mm. question du per per view euh, Amina mu euh, mm. bon malheureusement amuñu les bons chiffres pour xam exactement ce que ngi mm-hmm. je vois que des fois a rencontré ay sénégalais mm-hmm. ñu leen a bu football local je pense qu'ils n'ont pas compris c'est pas une mm-hmm. question de vendre le football local c'est pas une question de vendre les matchs mais je pense que c'est l'intérêt de tout le monde, que ce mm. soit des sports qui, qui, qui, produit, Buzz Pro qui diffuse, la Ligue Pro et les clubs. Je pense que nous sommes Et je pense que depuis quelques années, la Ligue Pro est en train de réfléchir comment rendre dynamique, rendre attractif le championnat sénégalais. Mm-hmm. Parce que si on regarde les joueurs, nous sommes en Tanzanie, nous sommes en RD Congo récemment avec euh, Youssoufa Dabo qui est en train de prendre nos mm-hmm. meilleurs éléments. Je pense que pour, euh, on en train de voir comment retenir nos joueurs finis au Sénégal Sénégal des pays voisins Bénin Côte d'Ivoire je pense que ce sera pour l'intérêt de tout le monde et ci c'est vrai que cher mais je pense que voilà quoi à part ça le week-end c'était c'était cool avec euh, ay sauf que voilà côté spectacle ça par rapport la première journée nga xamné cette fois-ci en Ligue 1 il y a que 9 buts ce mois-ci, 11 qui ont été marqués par rapport la première journée nga xamné il y avait plus de 20 buts donc euh, et ne peut-être à améliorer donc profitoo ci occasion bi nga xamné ñoo ñu doon Nous ñom ñep invité Khalifa ak euh, Issa donc euh, voilà di len jaajëfal ci invitation bi et puis voilà merci beaucoup à toi Red Chef merci également à toi Amina hein. wala jaajëfal yow it bu baax merci d'avoir été sur ce plateau ce matin fàtte ma la donc Amina ñu ngi koy jaajëfal aussi ci liggéey boobu nice bi muy def ci ah, terrain yi aussi football local ak yooyu noonu voilà Amina waa actu inter dañuy ñëw tàggatoo tàggatoo Amina ñu ñëw waaw merci beaucoup donc maa ngi remercier téléspectateurs yi ñuy suivre en direct sur des sports di euh, suñu invité yi bu baax a baax ak sama doyen ki nga xam ne mooy Aliou mais aussi du ma parete remercier ma le fervent fans de des ki ñuy wax Tafa Sarr depuis Portugal moom ma yónnee moyen bi ma sol ma ne ko dama koy sol ñëw plateau café des sports Portugal la nekk mais dafa coordonné moyen moyen bi fu ne jaar na fa ba ni mu ñëwee Thiès mu jox ko soxna si ñuy teg ko ci oto mu ñëw ba paduwaa ji jox ko cak-cak mu andil ma ko ah xam naa dina ñëw te ba suuf nee sax dina dina dina jox kenn du fi solati mayo mayo non mu ngi seetaan en direct chaque

vraiment que je remercie beaucoup waa Gambie ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax <laughs> ñoom tamit dañuy safoo café des sports bu baax a baax merci beaucoup à waa Gambie imprimerie magasin mag fële ne euh, Grand Yoff di jaay ay hamburger xam naa sax nee ko café des il faut nga indi ay affaire jeex na ay burger lu ne ay sandwich ak yëpp ma yónnee fa sama rakk bi ne am na benn affaire bu ñu fa gis bu am photo nekk seen seen plateau bi Marceline effectivement après bon mu euh, Mansour musuñu gisante mi ngi naan maa ngi dëkk Grand Yoff mu dëkk Grand Yoff te boole na maa ku nekk te musuñu gisante xam naa naa fa dem ziar ko am benn yóbbante boo xam ne la ko xam naa dina ko jox càq càq mu andi ko baax donc Mansour maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar aussi waa Grand Yoff yëpp Arafat sama waa kër waalo waalo ñu ngi seetaan en direct di nuyu aussi sama maam yi bu baax a baax waaw ñu ngi nuyu waa waalo yëpp di nuyu sama maam ah, du sama maam sama maam la ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax c'était ma team de ce matin pour votre matinale préférée Café des Sports hein, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax di gërëm également ñu jot a ci ligne bi depuis ce matin ceux qui ont participé de près ou de loin euh, ñi woote téléphone ak ñi nga xamante ne ñi ngi bind ci commentaire yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali rek ni Actu Inter mi ngi ñëw à partir de 12 h 30 pour présenter l'actualité internationale ou euh, sport bi en général dinañu wax ni aussi di ngeen am euh, les bulletins d'information à partir de 16h et 20h dinañ leen fatali également que di ngeen am yeneen euh, émission yu nara am tay si goudi ngeen kar Desport TV waaye desport.sn ne sera pas en reste dinañ leen publier ay articles yu am solo pour vous permettre de passer votre journée à bien merci beaucoup à mes partenaires qui m'accompagnent chaque matin à Tanor confection ñu sommes ci équipement sport d'ailleurs nous ngi dans ci HLM ba ma koy jaajëfal bu baax Mamadou Dieng Assante sainte ñu nekk ci wàllu euh, tabax euh, équipement ak tabac mi ñoom tamit euh, maa ngi leen di war XBET un jeu qui est interdit au moins de 18 ans à partir de la majorité mën ngeen ko jouer Pepsi ak Kerem. merci beaucoup à vous Orange Sonatel maa ngi leen di MDE de Fatah Amaron, merci beaucoup à vous man ma leen di jox dig pour beneen numéro Café des Sports d'ici là restez scotchés sur le programme de Desport TV et SN. à demain Cette émission vous est offerte